Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Le sommet des États membres de l'Alliance des États du Sahel AES samedi 6 juillet à Niamey et le lendemain, le 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO tenu à Abuja au Nigeria. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, le désengagement des troupes américaines de la base 101 de Niamey et le retrait de l'armée allemande de sa base logistique au Niger d'ici le 31 août 2024. L'actualité, c'est aussi le retrait du permis d'exploitation du jugement d'uranium au groupe canadien goviesque de Madawela à Arlit par le gouvernement nigérien. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante euh, que nous attendons d'un moment à l'autre. Ousseini Issa journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Liberté provisoire pour le journaliste Idrissa Soumana Maïga, le directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur. Cette décision de justice lui a été notifiée mardi, a indiqué une source proche de son journal. Pour rappel, le journaliste Soumana Idrissa Mega a été interpellé le 25 avril passé au siège de son journal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot au sujet de cette libération. allez-y. Ben, je me réjouis de cette libération, mais je suis inquiet par rapport à la situation des médias aujourd'hui parce que j'ai comme l'impression qu'on a voulu, qu'on mette de côté de plus en plus l'ordonnance portant un régime de la liberté de la presse pour aller sur le terrain de la cybercriminalité. Qui empêche quand même euh, des peines privatives. Mais, bien sûr, les peines privatives, récemment, un document a été pris pour modifier, comment la loi sur, la, cybercriminalité. Pour pénaliser, comment ça s'appelle, euh, les infractions liées à cette loi-là. Moi, je m'inquiète. Ça veut dire que l'ordonnance est caduque. Mais quand on va sur ce terrain, ça veut dire qu'on ne veut plus travailler avec l'ordonnance. Parce qu'on parle de publication, on parle de diffusion par voie radiophonique ou sur la télévision. Il y a une loi spéciale qui est là, qui a été, en tout cas, acquise de haute lutte. Mais on a tendance à mettre de côté cette loi pour aller sur un autre terrain où on peut amener le journaliste en prison. Et je trouve cela déplorable, je trouve cela comme un recul. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Hassan Boukar, rapidement. Je suis content qu'il puisse bénéficier de cette euh, liberté provisoire je pense que c'est toujours euh, plaisir de retrouver un collègue qui a connu des moments difficiles parce que ça fait déjà plus de deux mois qu'il est en détention, donc euh, qu'il retrouve une liberté provisoire, c'est une bonne chose, mais une liberté provisoire, c'est toujours une étape. J'espère qu'il va recouvrir totalement sa liberté, puisque c'est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup à la presse nigérienne et qui, depuis des années, a continué à se battre sur ce terrain-là. Je rappelle à nos auditeurs que Memouna Gado vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Memouna. Bonsoir Un mot au sujet de la libération de Soumana Idriss Maïga, directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur D'abord, euh, on s'en félicite euh, de cette libération. Euh, bien que ce n'est pas une libération totale. C'est une libération provisoire. Et notre souhait, ça serait qu'il bénéficie d'une libération totale pour les jours à venir. merci donc à tous ceux qui ont mené le combat autour de cette action pour euh, éventuellement euh, décrire d'abord la manière dont il a été euh, incarcéré et également euh, de, de, parler également de la liberté de la presse également parce que un journaliste n'a pas sa place en prison quand même un journaliste c'est vraiment un homme de médias un homme qui porte la parole un homme qui doit exercer son métier librement et donc nous espérons que ceux qui sont également dans ces, cette situation, Ousmane Toudou par exemple, qui soient également euh, dans cette euh, situation de liberté provisoire ou bien de liberté tout court. Merci à toutes et à tous pour euh, ce tour de table le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'est ouvert samedi 6 juillet passé au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, la capitale du Niger. Le lendemain, dimanche 7 juillet, s'est également tenu le 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Abuja au Nigeria sous la présidence du président nigérien Bola Tinubu. Ousseini Issa, vous avez certainement suivi de bout en bout le déroulement et les conclusions de ces deux sommets. Que peut-on retenir au sujet de ces sommets oh, Mokhtar, ce que je peux retenir, c'est que ce n'est pas véritablement une coïncidence. Parce que les chefs d'État de nos trois pays, l'Alliance des États du Sahel, ils ont convoqué leur sommet samedi et la CDAO a convoqué le sien dimanche. Le lendemain. le lendemain, n'est-ce pas C'est vraiment un peu de manière synchronisée. Attendre de voir ce que les chefs d'État de l'Alliance des États d'Israël vont dire, vont tirer comme conclusion et on a tous suivi ce qu'ils ont tiré comme conclusion. Il n'y a plus de retour possible au sein de la CDAO. C'est ça qu'ils ont conclu. Et ça marque une étape euh, un peu décisive, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux avancées. En tout cas, non, non, selon vous, le, lien est déjà rompu, il y a plus de retour possible. C'est compliqué que le retour soit effectif du jour au lendemain. Mais on a vu aussi, parce qu'ils ont dit ils se retirent définitivement et c'est de manière, euh, comment irréversible. Mais on a vu quand il y a eu le sommet de, de la CDAO, de velléités encore vis-à-vis de ces pays-là, qui sont quand même des pays quand même de l'Afrique, et puis la CEDAO, c'est une organisation où le président de la Commission allait jusqu'à proférer des menaces, n'est-ce pas En signifiant que, bon, désormais, possiblement, on va leur imposer, comme avait dit, euh, pour entrer dans ces différents pays. Les citoyens de, ces trois pays. Les, citoyens de ces trois pays vont, vont être Ils peuvent être confrontés peut-être à l'imposition de visas n'est-ce pas C'est une, menace. C'est véritablement une menace. C'est une menace et ça ne s'y est pas. Vous cherchez à ceux qui reviennent. Au moins qu'ils entretiennent de collaboration de deux blocs. Mais vous créez les conditions pour encore rébuter. Parce que c'est à cela qu'on a assisté. Au moment où euh, les Africains cherchent euh, l'Union africaine. Oui, mais quand ils sont pour dire vous allez, mais ils ne disent pas la réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque, mais moi je souhaite pas que les États de l'Alliance des États du Sahel imposent ce genre de restrictions aux autres citoyens de la CDAO. On en Afrique, on cherche à construire une union. Voilà une organisation sous-régionale. Il n'y a pas que la CdaO il y a la CEMAC de l'autre côté. Est-ce qu'on a déjà entendu au niveau de la CEMAC des problèmes de cette nature se poser On sent bien évidemment, et ça dénote quelque part que certains chefs d'État au sein de cette organisation continuent d'accepter d'être instrumentalisés par des puissances occidentales. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils se sont retirés. La Mauritanie s'est retirée bien avant, longtemps avant, n'est-ce pas c'est pas en gardant ses relations avec euh, les États, relations avec les États, mais venir au cours d'un sommet où on a l'impression que le sommet là, karma, ça a été focalisé sur les sanctions qui peuvent être prises par les citoyens n'est-ce pas Et c'est la raison qui a poussé les trois pays, parce qu'on sent que la CDAO n'est plus en train de travailler pour les peuples, mais la CDAO travaille en fonction de la volonté des desiderata, des chefs d'État, en tout cas des pays membres qui la composent. Et là, ça, c'est vraiment déplorable, parce que c'est un discours karma qui ne devait pas se tenir. Ok, on prend acte, on n'a pas à menacer. Maintenant, on peut entretenir, on continue à entretenir les relations. Mais dit, on va leur imposer le visa, il peut plus s'implanter dans nos pays pour faire du commerce, il peut plus faire ceci, cela. Moi, je dis, à la limite, c'est une façon de dire, de radicaliser les positions. Parce que c'est réciproque. Il a oublié ou il a perdu de vue que c'est, c'est réciproque. On va vers là-bas, mais les citoyens de ces pays aussi viennent dans nos pays. Alors, comment ça va se faire? La question reste posée. La question reste posée, bien évidemment. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Memouna Comment les Nigériens et les ressortissants de ces deux organisations qui sont l'AES et la CDAO ont-ils vécu le déroulement et les conclusions de ces deux sommets Pour les conclusions du sommet, euh, tenu ici à Niamey, pour ce qui est de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, c'est des conclusions qui ont été applaudies, qui ont été vraiment soutenues par euh, les populations de ces trois pays-là. Maintenant, pour ce qui est des conclusions de la CDAO, <laughs> c'est vraiment euh, là où le bas blesse. Parce que on ne s'attendait pas à des conclusions qui vont à l'encontre de, de, de nous autres populations de l'AES. C'est quoi quand je dis ça? Parce que si vous voulez que ces pays d'abord restent au sein de la CDAO, il faut d'abord aménager le terrain. Ça veut dire quoi aménager le terrain Amener ces dirigeants-là qui ont claqué la porte de la CDAO, les amener à une objectivité, d'une amélioration des relations d'abord. Il n'y a pas eu cette amélioration des relations. Vous voulez dire que le travail n'a pas été fait en amont Le travail n'a pas été fait en amont. C'est comme si c'est une autre menace. menace va en guerre de la CDAO contre ces trois pays-là. Et moi, je me dis pas, je me dis que, en fait, la CDAO n'est pas pour une réconciliation. La CDAO ne cherche même pas à ce que les trois pays la reviennent. On, on, a constaté euh, quelques grands absents euh, au niveau de ce sommet. Euh, il y a certains chefs d'État qui n'ont pas répondu présent à ce sommet. Comment expliquer Ces chefs d'État qui n'ont pas répondu présent, ce sont des chefs d'État qui savent ce que déjà, ce que les autres, peut-être, ils, ils ont déjà eu à discuter entre eux. Ils n'étaient pas pour cette situation-là. Donc, en venant par exemple, à ce sommet-là, c'est comme s'ils sont aujourd'hui comptables de l'histoire. Donc, ils veulent pas être comptables de l'histoire, mais c'est bien, <laughs> bien, bien sûr qu'ils ne, ne peuvent pas accorder leur violon ensemble. Ça veut dire qu'on a vu ces chefs d'État qui ne sont pas venus. Il y aura d'autres chefs d'État également qui vont désister. C'est un temps, on leur donne un temps, parce que la CDAO aujourd'hui, ce n'est plus la CDAO que nous connaissons. C'est une CDAO qui est instrumentalisée. Et quand une CDAO est instrumentalisée... Par qui vous n'avez aucune preuve <laughs> de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, tout le monde connaît cette instrumentalisation. Parce que avant, quand tu regardes la CDAO d'avant, c'était tous les chefs d'État qui s'y rendaient. Tout le monde se précipitait pour aller à ce sommet. Aujourd'hui, ce sommet-là, il y a des chefs d'État qui ne veulent même pas figurer dans ce sommet-là. Donc, ça veut dire que c'est instrumentalisé. C'est quand tu es instrumentalisé que tu sais que tu es là-bas. Quand tu n'es pas instrumentalisé, mais pourquoi c'est à toi de prendre ta propre décision. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, les chefs d'État là qui restent là, les chefs d'État qui sont eh, au sein de la CDAO et qui sont en train de tirer les ficelles, mais ils oublient qu'ils vont quitter. Merci beaucoup, voilà. Hassan Boukara, dans son intervention à l'occasion du sommet de Niamey le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a dressé un violent réquisitoire contre les impérialistes, euh, selon ses propres termes, qui volent et pillent nos États, ainsi que leurs valets locaux, qu'ils parviennent toujours à faire élire à l'issue des processus électoraux dont ils définissent les règles. Quelle est votre opinion au sujet de cette déclaration du président du Faso Merci Mokhtar. Je, pense que ce n'est pas pour la première fois que euh, Ibrahim Traoré fait ce genre de de déclaration. Je crois qu'il est habitué. Et là, il est resté toujours très virulent vis-à-vis des grandes puissances, des puissances impérialistes qui s'installent dans nos pays et qui euh, cherchent le plus souvent à tirer au profit des richesses dont regorgent nos, nos, pays. Comme, faisait son aîné euh, Thomas, Sankara, le faisait, oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est quand même un discours qu'on retrouve dans tous les pays de, de l'AES. Hein. L'exprime en tant que président. Est-ce que c'est une bonne posture selon vous mais écoutez, euh, la naissance de l'AES en tant que telle, c'est déjà une volonté de rupture euh, face aux puissances impérialistes. Lorsque le Niger met à la porte euh, la France, lorsque le Mali fait autant, c'est quand même une rupture face à des puissances qui ont régenté cet espace pendant des décennies depuis les indépendances, il y a dire. Donc c'est une volonté de dire, écoutez, rien ne sera plus comme avant et on sait ce que font les puissances. À qui ils s'adressent il s'adresse aussi à une opinion publique qui partage justement ce sentiment-là. Donc quand il le dit, il parle euh, aux jeunes Nigériens, aux jeunes Maliens, Burkinabés, qu'on retrouve souvent dans la rue, qui scannent le même slogan contre l'impérialisme, qui montre que si nos pays sont dans cette situation, c'est aussi parce que d'autres puissances ont tiré profit, n'est-ce pas, de la situation de nos pays, etc. Mais j'aimerais dire un mot sur cette rencontre de, de, de la, de la ah, CDAO. En fait, je lis vraiment une inquiétude hein, quand on lit euh, le communiqué communiqué final de la CDAO. C'est vraiment ce qui paraît à mon avis. Il y a d'abord le fait que on ne sait plus finalement comment faire avec les pays de l'AES parce que la CDAO voit avec inquiétude trois de ses membres partir. Parce que la question c'est après le Niger, le Burkina et le Mali, est-ce que d'autres pays ne seraient pas tentés de suivre Néanmoins, Hassan Boukara, euh, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, à l'issue de ce sommet, a été désigné comme facilitateur pour discuter avec euh, les trois pays et membres de l'Alliance des États du Sahel. Oui, vous vous rendez compte qu'au moment où à Niamey, on dit c'est irrévocable, on a tourné le doigt à la CDAO, la CDAO continue à dire on va quand même parler. Alors pourquoi on choisit Diomaye Mais est-ce que ce n'est pas une bonne posture le fait de ne pas rompre le dialogue, de réunir le dialogue, c'est... Si, vous avez suivi le communiqué final qui a été lu à Niamey, on montre clairement que cette situation, c'est la CDAO qui est à la base. C'est-à-dire que les pays de l'AES mettent la situation de la désagrégation de cette rupture sur le dos de la CDAO. C'est pour dire que ce n'est pas notre faute, c'est donc la faute de la CDAO. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a pris Bassiou Diomafaye. Il y en a au sein de la CDAO des dirigeants qui sont considérés comme très clivants on ne mettrait ni Talon ni Ouattara pour venir négocier avec UE, Ce n'est pas possible. Donc le choix aussi est limité. Ces deux présidents ont quand même voulu euh, le sommet. En particulier lors des, des, sanctions contre le Niger et tout ça. Donc pour moi, la, euh, euh, la, CDAO dit déjà, assez ah, grave si les pays de l'AES quittent. La CDAO dit il faut un sommet spécial sur l'avenir de la communauté. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'est que le débat qui pose euh, l'AES, c'est un débat qui consiste à dire la CDAO dont nous avons été membres fondateurs, on parle de Moussa Traoré, on parle de Séné etc. Il dit cette CDAO, ce n'est plus la même CDAO. Mais la CDAO, à l'époque, son objectif principal, c'était l'intégration économique au, sein, au, sein, de l'espace. Alors, les pays de l'AES disent on n'est plus dans cette CDAO. Alors, la CDAO elle-même aujourd'hui, je pense qu'elle ne peut plus cacher cette crise-là. Elle annonce un sommet spécial sur l'avenir, n'est-ce pas, justement, de cette communauté. Et un des sujets en discussion, ça va être le protocole de la CDAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ça montre aujourd'hui que finalement, cette crise de la CDAO, ben, elle est là et la CDAO, apparemment, elle est prête à tout mettre sur la table. L'enjeu, c'est de garder la cohésion. Regardez euh, certains sujets qui se posent. Par exemple, on parle aujourd'hui des cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses de la CDAO et qui montrent combien cette institution est dépendante du financement extérieur. Les États, tout en restant membres, ne cotisent pas, etc. Donc, à mon avis, la CDAO pose un vrai problème. La CDAO revient aussi sur l'éco, qui est cette la, monnaie, unique de la CDAO. Cette monnaie annoncée depuis 1975. Dans un an, la CDAO fait 50 ans d'existence. 50 ans plus tard, on n'est pas capable de se faire cette monnaie-là. Alors, Comment on ramène cette monnaie Rappelez-vous qu'on a demandé au président Issoufou, au président du Ghana, de travailler. Alors, il y avait déjà toute une dynamique qui est engagée. La task force de la monnaie unique. Voilà, un, matin, un matin, Ouattara et Macron se réveillent, pour dire bon, il n'y aura plus de France et pour s'aborder tout ce processus. Maintenant, la CDAO revient encore poser. Où est le sérieux dans ça C'est-à-dire qu'il y a un énormément de problèmes aujourd'hui. Je pense que c'est toute une inquiétude qui est exprimée et c'est bien délit le communiqué final de la CDAO. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la tenue des deux sommets, celui de l'AES et celui de la CEDIAO le week-end passé. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangu. Le désengagement des troupes américaines de la base 101 de Niamey, débuté le 7 juin dernier, a pris fin dans la nuit du 7 au 8 juillet 2024. Ainsi, leurs emprises de Walam et Niamey ont été rétrocédées aux forces armées nigériennes, a indiqué le colonel-major Maman Sani président du comité de désengagement des troupes militaires américaines. C'était dimanche à l'occasion de la signature des documents de rétrocession des emprises américaines. Au même moment, l'armée allemande va cesser euh, d'exploiter sa base logistique au Niger d'ici le 31 août, euh, date d'expiration de l'accord de défense entre les deux pays, rapporte le site d'information Actu Niger. Les négociations avec les autorités nigériennes pour la prolongation ou un nouvel accord n'ont pas abouti. Alors, la force de défense fédérale allemande prévoit un retrait ordonné de ses 40 soldats déployés au Niger. Hassan Boukara, quelle est votre opinion au sujet du désengagement des troupes américaines et du retrait de l'armée allemande du Niger Je pense que le départ de l'armée américaine est quelque chose qui a été annoncé depuis longtemps. Donc ça montre euh, simplement que le calendrier tel qu'il a été prévu, puisque l'idée est le départ total de l'armée américaine en septembre au plus tard. Donc ça veut dire que le calendrier est respecté puisque la base de Niamey euh, a, été libérée. Donc on parle déjà de plus de 700 soldats qui ont quitté le Niger. Ça montre que, contrairement à ce qu'on a connu avec l'armée française, il y a une volonté aujourd'hui euh, de s'entendre autour du processus du retrait de l'armée américaine. Il n'y a, pas eu de résistance. oui, et ce processus a été, a été respecté. Et donc, ça montre quelque part enfin c'est mon analyse, les Américains veulent continuer à garder des bons rapports avec le Niger en considérant que oui, si le Niger ne veut pas de notre armée, l'armée peut partir, mais on va continuer à travailler sur d'autres domaines. Maintenant, il reste la base d'Agadez. Euh, il semble que d'ici la mi-septembre, elle aussi, elle est censée être libérée, la base d'Agadez. On a beaucoup parlé d'une base euh, que la CIA utiliserait autour de Dirkou, euh, une base de drones. Je ne sais plus si ça existe, est-ce que ça fait partie de discussion Je en sais rien. Mais en tout cas, euh, ça montre simplement qu'il y a une entente avec les États-Unis. Et pour l'instant, les choses se passent telles que, telles que prévues. Ce désengagement euh, n'aura pas d'impact euh, sur les relations entre les États-Unis et le Niger C'est ce que les Américains eux-mêmes disent. au moment où le Niger a demandé le départ, les Américains disent oui, notre armée part. Le Saïd a annoncé son appui au Niger. L'ambassade est bien là. Donc ça veut dire que si le Niger ne veut pas de l'armée, eh bien l'armée part, mais on garde les autres rapports parce que c'est quand même un pays, euh, d'un point de vue géostratégique, qui compte à la fois pour les États-Unis comme pour d'autres puissances. Pour l'Allemagne, la, pour je pense que ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas eu entente entre le Niger et l'Allemagne. De toute façon, euh, les Allemands ne sont pas dans la position de dire, écoutez, chasser les riches, chasser les Iraniens, ce n'est plus possible. Je pense que la position que le CNSP a montrée depuis le 26 juillet, c'est de dire, ce qui apparaît comme l'intérêt du Niger, nous sommes là-dessus, et donc vous n'avez pas Maintenant, euh, on dit que bon, les Allemands considèrent qu'il y a une volonté de tourner le dos aux Occidentaux, qu'il y a d'autres questions techniques, par exemple la question des poursuites de soldats allemands sur le territoire national, s'il y avait des problèmes. Alors, ça montre clairement que euh, les puissances continuent toujours à être sur le même cliché, c'est-à-dire lorsque les grandes armées arrivent sur votre territoire, on vous impose des clauses tel que, par exemple, à l'image de ce qui s'est passé à Terra, vous ne puissiez pas faire des, des poursuites. C'est ce qui s'est passé à, Terra rapidement Oui, les, les, ces manifestations contre euh, le, passage, de euh, l'armée, du convoi, voilà, euh, qui s'est soldé par mort sur lesquelles il n'y a, pas eu d'enquête en tant que Donc, les, armées, généralement, elles font accepter des clauses dans lesquelles leurs soldats sont à l'abri de poursuites. C'est ce que font les grandes armées. Et donc, si c'est ce que le CNSP a refusé, je pense que c'est une bonne chose parce que de, imaginez l'armée nigérienne tuer un citoyen européen de quelque pays que ce soit. Donc, il faut bien que nos pays soient aussi capables de faire la réciproque vis-à-vis des armées qui sont là. Maintenant, comprenons une chose. Cette coopération militaire, dans sa forme actuelle, où des armées viennent s'installer dans nos pays, est une anomalie. La normale, c'est qu'ils s'en aillent. C'est ça la norme en fait. C'est-à-dire que, euh, rappelons-nous que ça fait Ils sont là pour former les, forces armées nigériennes. Oui, mais vous n'avez pas Pour les appuyer. les Américains ont 1000 hommes. Est-ce que vous avez besoin de 1000 hommes pour former l'armée nigérienne Vous n'en avez pas besoin. Non, je veux dire, rappelons-nous que c'est vraiment récent c'est lié à cette crise sécuritaire. les Américains disent qu'ils sont là pour lutter contre le terrorisme. Oui, mais ils peuvent aider le Niger sans amener 1000 hommes. En fait, ce que je suis en train de dire, il a, il a toujours existé une coopération militaire depuis les indépendants cette coopération militaire a pris diverses formes. Mais la présence massive. Hein. cette présence massive où les gens viennent s'installer dans les bases, je pense que le CMS déjà a mis fin euh, à ce qui existait comme base lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 74. Et aujourd'hui, je pense que la normale, il faut que les gens se rendent compte que ces armées s'en aillent. C'est ça la norme. Dans un pays, vous avez votre propre armée. Si vous voulez une coopération, vous définissez le mécanisme par lequel d'autres partenaires vous apportent leur appui, que ce soit en termes de formation, en termes de logistique, etc. Mais la norme, et qu'il n'y ait pas d'armée étrangère sur votre territoire. C'est ça la norme. Merci beaucoup Hassan Boukara Cette opération débutée officiellement le 7 juin 2024 est marquée par la signature du document de rétrocession des installations américaines aux forces armées nigériennes. Un coup dur ou un soulagement, selon vous <laughs> Un coup dur pour qui d'abord pour le pays non, et les citoyens nigériens. Je ne vois pas quel est le coup dur pour le Nigérien puisque <laughs> on a vu les preuves de, de ces armées sur le territoire nigérien. Qu'est-ce que ça a changé pour que le Nigérien puisse. Il y a des Nigériens qui travaillent avec eux, ils sont là pour euh, lutter contre le terrorisme. Mais ils vont, ils vont continuer à travailler avec l'armée nigérienne. C'est déjà bon. Parce que moi, je n'ai pas vu leur utilité. Et quand je n'ai pas vu leur utilité, ils n'ont qu'à prendre leur euh, clic et claque, leur base pour aller de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, c'est une coopération qui continue ce que nous avons demandé, <laughs> s'ils ne sont pas à mesure aujourd'hui de nous les fournir, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va s'entêter à, les faire asseoir dans notre pays. Non, on a besoin de logistique, on a besoin de renseignements, on a besoin de, de tout ça, de communication fiable pour le, pouvoir... Le, font pas Mais ils le font comment S'ils le faisaient, est-ce que depuis qu'ils sont là, là, les, ces, ces, ces bandits ou bien ces terroristes-là continueraient jusqu'à aujourd'hui en train d'attaquer des, pauvres paysans, des pauvres villageois. Non. Parce que quand tu vois, quand on voit comment ça se passe, ça veut dire qu'il y a des défauts au niveau donc de la communication. On a juste besoin de logistique, on a juste besoin de renseignements et ils sont capables de nous donner ces renseignements. Donc, selon vous, c'est pas un coup dur, c'est un soulagement C'est pas un coup dur, moi je trouve que c'est un soulagement. Euh, s'il y a d'autres bases aussi qu'ils veulent partir, ils m'ont Quel avenir pour euh, les relations entre les États-Unis d'Amérique et même euh, le Niger et l'Allemagne mais les relations vont continuer. Ce n'est pas parce qu'on euh, a demandé à ce que les bases militaires quittent qu'il n'y aura plus de relations. Les relations ont déjà ont toujours existé entre les deux pays. Donc ça va continuer à exister, mais de façon à ce que les relations soient revues. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est du gagnant-gagnant. Oui, c'est une relation où tout le monde va se retrouver dedans. Mais ce n'est pas une relation où ce sont eux qui vont venir dicter dans notre pays ce que nous devrons faire avec eux. Non, ça ne serait plus possible. Donc n'est pas parce que le Niger a demandé qu'ils ne veulent plus voir les bases euh, militaires sur le territoire nigérien que ça va mettre fin à une coopération de plusieurs années, de plusieurs décennies. Non, je ne pense pas. La coopération va continuer. Et euh, ça sera des coopérations, comme je viens de le dire, gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Mme Diado. Ousseini Sajibo, l'accord stipule la fermeture de toutes les bases militaires américaines au Niger, y compris celles de Niamey, Agadez et Difa, avant la date bitoire du 15 septembre 2024, comme Hassan Boukar venait euh, de le rappeler. Quelle est votre opinion au sujet du désengagement des troupes américaines du Niger rapidement non mais, euh, Rapidement, c'est que, à ce que je cherche, après le départ des Français, je crois que le gouvernement a écrit à tout, comment vais-je dire, euh, à, toutes les chancelleries pour dire qu'ils ont des bases, qui ont des soldats, de clarifier, n'est-ce pas C'est un processus normal. Ils leur ont demandé, ils leur ont donné un temps de clarifier, parce que c'est des souvent des, des accords qui ont été signés dans l'opacité la plus totale. N'est-ce pas Quand on apprend comment les Américains sont arrivés, depuis 2012, il y avait une assemblée. Ça n'a pas passé par l'assemblée. Entre un ministre et son président qui s'arrangent pour les faire venir sur la base de notes verbales. Alors, moi je me dis, Abba vient de dire quelque chose de très important. Euh, Quand Kouchi est arrivé, le lendemain du coup d'État, il a dit aux militaires français, les bagages. Parce que la souveraineté commence d'abord par ça. On ne peut pas faire venir des soldats étrangers chez soi pour vouloir, au nom de quel que soit par ailleurs la cause. Parce que ici, ils disent ils sont venus nous aider à lutter contre le terrorisme. Pendant tout le temps qu'ils sont restés, qu'est-ce qui a changé On tire des pauvres villageois, on tire, on tend des embuscades à nos soldats qui meurent. Avec tous les moyens, pendant combien d'années Ça a changé quoi Alors, quand moi les gens me disent, mais c'est une bêtise, c'est que j'ai dit non, c'est pas une bêtise quelque part, peut-être c'est djihadiste parce qu'il faut se poser la question comment ils servent Comment ils ont les moyens de se déplacer Comment, avec tout, avec tout ce qu'il y a comme drone de surveillance et tout et tout, ils arrivent mais, à. Mais, il y a des marchés noirs euh, de, oui, mais, mais non, mais je vais dire une chose. Non, c'est trop facile. Marché noir. où ça dans, dans, beaucoup de pays. dans euh, quel pays Non, non, non, je suis désolé. Ça, c'est ça qu'on raconte marché noir c'est des territoires. Je dis pas que ça n'existe pas. Dans des zones de, conflit. frontières. dans des zones de conflit. Mais moi, je veux dire une chose. Ces gens, tels qu'on les voit, ceux qui sont les, armés. Les gens peuvent transiter à partir de la Libye. Non, mais quelle Libye C'est ça on a dit. C'est ça qui a amené le désordre dans la sous-région, avec la complicité des mêmes Occidentaux qui ont déstabilisé la Libye, parce que tout simplement la visée c'était de contrôler nos pays. Carrément, toutes les bandes, la bande, comme on avait dit jusqu'à, c'était ça l'objectif, n'est-ce pas On a fait venir des partenaires de manière illégale. Alors, ils n'ont pas donné des résultats convaincants. On va continuer à les, garder. C'est ça quand les gens disent, non, on les a fait pacter les relations. Quelles relations On a gardé ces relations-là bien avant. On n'avait pas de base militaire à l'époque dans nos pays. Est-ce qu'on avait des bases militaires Il y avait la coopération américaine, il y avait la coopération avec la France, il y avait la coopération. C'est le problème fondamental, c'est la présence de ces bases-là qui n'ont pas donné des résultats probants. Et à partir du moment où on dit, on a vu un peu la résistance de la France et on a vu ce que ça a donné, parce qu'ils sont allés au-delà. Les Américains ne sont pas allés au-delà. Les, les, Allemands qui s'en vont aussi, certainement parce que tout simplement, ils n'ont pas pu clarifier exactement pourquoi ils sont là, sont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter concrètement. Parce que tout à l'heure, Hassan a dit ça. Ils peuvent nous aider en matériel, c'est dont nous avons besoin. On a toujours eu cette coopération militaire, la coopération technique n'est-ce pas Ils peuvent venir, on a besoin de formation dans tel domaine, ils peuvent faire venir des spécialistes qui vont former nos militaires. Ils peuvent nous donner des armements, faire venir des militaires qui vont apprendre à nos soldats à manipuler. Alors, est-ce qu'on a besoin forcément de présence physique de milliers de, soldats dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le Niger a retiré au groupe canadien Gouviesque le permis d'exploitation du jugement d'uranium du Madawela à Arlita. Selon cette euh, décision du Niger, Gouviesque n'a plus de droit sur ce site euh, qui est maintenant dans le domaine public, euh, rapporte à Irinfo. Mais la compagnie minière envisage de contester cette décision des autorités nigériennes devant la justice. En avril, c'est un rappel, le gouvernement nigérien a exigé que le groupe canadien commence l'exploitation de la mine avant le 3 juillet 2024 pour conserver sa licence. Ousseini Sajibou, le groupe canadien estime que la décision de lui retirer ses droits ne suit pas la procédure dictée par le code minier en vigueur au Niger et se réserve le droit de remettre en cause cette décision devant des juridictions compétentes nationales et internationales. Que peut-on retenir au sujet de cette affaire Je vais poser la question. Le code minier, je parle de code minier nigérien. Est-ce que c'est eux qui l'ont rédigé est-ce qu'ils connaissent mieux que les cadres nigériens qui ont rédigé le contenu de ce code minier-là N'est-ce pas Ils ne peuvent pas connaître mieux que les cadres nigériens. Et on sait le processus par lequel le Niger a décidé de retirer le, comment avait dit, le permis. d'exploitation. Mais on a été grugé pendant pratiquement plus d'une dizaine d'années. Tanja est arrivé. Quand Tanja a imposé, Imouraren par exemple, la première production devait sortir En 2012. On a vu comment ils nous ont traînés en longueur. Jusqu'à arriver à Boukdi. d'ailleurs, ils vont encore un nouveau, octroyer un nouveau permis de recherche. Sur le même site où ils avaient un permis d'exploitation pour commencer à faire la première production en 2012. Alors, Mokta, il faut qu'on chasse ce qu'on veut, n'est-ce pas? Nos ressources nous appartiennent. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces compagnies-là, souvent, ils jouent au dilatoire. Parce que tout simplement, ils travaillent avec ces permis-là au niveau, comment dirais-je, de la finance internationale, où, et on nous prend, on nous tire, on nous mène en bateau. Quand la période arrive où il faut mettre en exploitation, on trouve toujours un mécanisme pour dire non, tantôt c'est le coup de l'uranium ou ceci, cela, et ça va en longueur. Parce qu'ils veulent conserver ça. Moi, je dis. Conserver pourquoi Mais parce qu'ils veulent faire des réserves. Et ils, et ils amènent ça en bourse ils, font de la spéculation autour et c'est la rapporte de l'argent, pendant que le pays ne gagne absolument rien du tout. Moi, je dis... Mais est-ce que les dirigeants euh, de ce pays-là connaissaient euh, les contours, les enjeux de tout cela S'il te plaît, s'il te plaît, c'est pas des ignares. Est-ce que mais est-ce qu'ils savent que le Niger est grigé, le Niger était grigé Mais les gens, ils sont complices. Ils sont complices parce qu'ils trouvent leur compte. Quand Tanja a décidé de sortir le pétrole, Combien de gens ont tenté de décharger que le pétrole nigérien Aujourd'hui, on est en train de trouver des blocs, des machins partout dans ce pays-là. Quand Tanja voulait faire ça, il y en a qui sont sortis pour dire que c'est de l'eau. Selon vous, le retrait du permis euh, de Govies Mais attends, mon héritier il y en a qui vont venir, certainement, ils vont prendre et ils vont l'exploiter. Maintenant, les menaces qu'ils agitent, on va aller dans des procès et tout et tout. Mais qu'on aille dans des procès, ça fait longtemps, c'est en sous-sol. Ça fait longtemps, même si on ne l'exploite pas aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, les enfants qui vont grandir là, ils vont trouver, ils vont trouver des partenaires qui vont exploiter. Pourquoi on va continuer à nous considérer comme pauvres pendant qu'on a des ressources qu'on peut exploiter pour nous développer? Et on considère que non, non, non, c'est le partenaire qui décide à quel moment je vais mettre ça en exploitation. Mokhtar, il faut qu'on chasse ce qu'on veut. Moi, je me dis, ce pays-là, est resté longtemps à la traîne, avec toutes nos ressources. Imaginez s'il n'y avait pas la détermination de pour sortir le pétrole. Pendant les sanctions-là, c'est qu'on allait être Pourtant, des gens ont combattu pour dire non, moi, ils raconte. qu'est-ce qu'ils connaissent, c'est eux qui connaissent, ils sont du domaine, machin, c'est eux leur affaire c'est pas dans ça ils se sont enrichis. Merci beaucoup Hussein Issa Hassan Boukar, Gouviesque avait reçu au mois d'avril euh, du gouvernement nigérien l'obligation de commencer l'exploitation de la mine avant le 3 juillet au risque de voir son permis rétorqué. Quelles sont les conséquences euh, de ce retrait pour euh, les deux parties le Niger et Goviesque. Je pense que c'est la même chose que ce qui s'est passé avec euh, Areva, Orano, euh, Orano sur Je pense que ces, ces sociétés du Nord sont habituées à des régimes fragiles face auxquels... Il y avait, il y avait un régime fragile ici au Niger Oui, mais euh, pendant longtemps en Afrique, lorsque vous avez une société française, et quand on parle de Areva, allez ce n'est pas français, hein. c'est toute la puissance française qui est, qui, qui est là en face de vous. C'est pour ça que le régime ne peut pas contester, allez comme ils le veulent. Regardez, euh, il a fallu, comme Hussein l'a dit, quelqu'un comme Tanja, même une simple réunion pour qu'elle se tienne à Niamey, il aurait fallu quelqu'un comme Tanja pour le faire. C'est vraiment l'État français qui les gère. Donc, ces sociétés sont habituées un peu partout sur le continent à imposer des règles. Elles ont aussi une expertise malheureusement nos pays n'ont pas, et ça, il faut forcément le, déplorer. Vous ne pouvez pas exploiter l'uranium pendant 50 ans, puisque c'est depuis les années 70 au Niger. Il faut avoir toute l'expertise, des juristes spécialisés, des techniciens de tous les domaines. Il faut aussi être souverain en matière d'expertise sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, il y a eu les sommations en disant, vous avez un délai, sinon l'État le retire, le délai est passé. Oui, mais présent, quelles sont les conséquences de ce retrait À mon avis, l'État... Euh, L'État du Niger mais euh, alors Goviax dit je vais poursuivre, ça c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que si vous considérez que vous êtes grugé, vous saisissez. C'est normal selon vous. C'est tout à fait normal. Vous saisissez un juge pour vous départager. Maintenant, le Niger, lui, il a la possibilité de remettre sur le marché Madawaya. Il, y aura d'autres. Il peut rediscuter, il peut rediscuter avec d'autres sociétés. Maintenant, on a aussi hein, tout ce qu'on a vécu avec les autres. Maintenant, on est averti, on sait toutes les mesures de prudence qu'il faut prendre avant de s'engager, le type de contrat sur lequel il faut travailler, à mon avis, maintenant c'est tout cela qui revient au, gouvernement nigérien. Il ne faut pas se laisser avoir comme ça a été le cas de par le passé. Il faut tirer les leçons de tout ce qu'on a vécu pour maintenant discuter vraiment de façon à défendre l'intérêt national. Donc c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut procéder, parce que ces richesses, elles peuvent aider notre pays à lutter contre la pauvreté elle peut vraiment aider ce pays. Il faut non seulement faire les bons contrats, les bonnes discussions, il faut que les ressources soient bien gérées et bien investies au profit des citoyens de ce pays. Je pense que c'est une opportunité qu'on a, mais aussi il faut vraiment avoir des, des, investissements stratégiques parce que ça va finir, hein, ces ressources. Même quand tu commences à les exploiter, un jour, ça va finir. Ça va être des trous béants, comme certains sites qui arrivent comme Comme euh, la Cominac. Oui, comme, la Cominac, par exemple. Donc, il faut forcément, c'est des, c'est des enjeux stratégiques pour notre pays. À mon avis, aujourd'hui, on a la possibilité de remettre dans l'espace public, de remettre sur le marché et discuter avec d'autres acteurs. Merci beaucoup Hassan Boukara Memouna Niamey avait également retiré le 19 juin le permis d'exploitation du géant jugement d'uranium d'Imouraren près d'Arlit au groupe français Orano ex ariva Hassan Boukara l'a rappelé tout de suite. Ce dernier s'était dit ouvert au dialogue avec les autorités tout en se réservant le droit de contester la décision devant la justice. Quel avenir pour le secteur minier nigérien, selon vous Moi, je vois que c'est un secteur euh, qui va prospérer <laughs> ici au Niger. Avec le retrait par-ci. Euh, euh, mais oui, parce que le retrait de ces permis d'exploitation, c'est que ces permis d'exploitation peuvent être renégociés, mais à, à, notre manière. Ça veut dire que là où il faut que aujourd'hui le Niger profite, le Niger va profiter. Parce qu'il n'est plus question que depuis toutes ces années qu'on puisse exploiter des sites et que même là où on exploite les sites, les populations qui vivent autour donc de ces sites <laughs> n'en bénéficient pas. Donc, ça veut dire quoi Ils ne bénéficient pas, c'est-à-dire ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'électricité. Ils n'ont rien. À la santé Ils n'ont rien, puisque la, santé, c'est défaillant. Aujourd'hui, l'éducation, on n'en parle plus. Également, l'eau, comme Vous faites allusion à la, ville à la ville d'Alir Mais oui pas uniquement la ville d'Arlit, mais c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il est temps que les populations, il est temps que le Niger renégocie l'exploitation à sa manière pour que les populations puissent en bénéficier et profiter. Vous voulez dire que le Niger a ah. été grugé Le Niger a été tellement grugé, des années entières. Mais maintenant, il est temps que nos autorités que nous avons actuellement, avec euh, le soutien donc euh, des populations, puissent revendiquer ce qui leur revient de droit. Parce que c'est pour le Niger, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ces populations nigériennes. Donc, on ne pourra plus continuer à souffrir, à rester confiné dans la pauvreté. est-ce que, alors que de quoi. Est-ce que cette décision est un signal fort euh, pour les autres sociétés euh, étrangères Mais c'est un signal fort. C'est juste pour dire que cette fois-ci, vous avez vu, on a retiré le permis d'exploitation à Orano. Ça veut dire qu'on est capable de retirer le permis d'exploitation à toute personne ou toute société qui est incapable aujourd'hui d'extraire le minerai du sous-sol, est incapable aujourd'hui ou refuse de procéder à la manière gagnant-gagnant. Mme Diado, à présent, quelles sont les véritables attentes euh, des Nigériens au sujet des ressources minières euh, du sous-sol nigérien Les ressources minières <laughs> du sous-sol nigérien, les populations ne peuvent attendre qu'il y ait un changement, qu'il y ait un changement de vie, qu'il y ait un changement de tout ce que ça peut apporter comme appui, que ce soit du côté sanitaire, du côté éducatif, du côté euh, de l'environnement aussi, parce qu'il faut sauvegarder l'environnement aussi. Donc, vraiment, ce sont des attentes que tout le monde, toutes les populations aujourd'hui attendent à ce qu'il y ait un changement, un changement, un vrai changement du côté vraiment euh, de la vie. Merci beaucoup, au sein Ousseini Sajibo. Quelles sont les attentes réelles et actuelles des Nigériens au sujet des ressources minières dont regorge les sous sols nigériens rapidement Les ressources du sous-sol, bien évidemment. Mokhtar, <laughs> il faut que ça contribue à développer le pays. On est pratiquement dernier pendant pratiquement une vingtaine d'années. Pendant qu'on a des ressources, n'est-ce pas Il faut que ça profite au pays. Parce que c'est avec ces ressources, la plupart des pays là, occidentaux se sont développés. Ils ont épuisé leurs ressources, ils sont venus et ils tiennent, ils nous tiennent en laisse nos réserves, ce qu'ils ont, ils considèrent que c'est des réserves pour eux. C'est pour ça qu'ils nous posent des conditions qui ne sont pas des conditions acceptables. À partir du moment où on a pris conscience, il faut créer les conditions pour que ces ressources-là puissent véritablement oui, oui, comment, comment, créer ces conditions au Sénégal Mais les conditions, on remet tout sur la table. Quand je prends la Somida, par exemple... C'est ce que le, gouvernement est en train de faire actuellement Non, mais, bien sûr, non, mais tu n'exploites pas. J'ai hérité mon permis. Est-ce que c'est le sol de... de, de c'est appartient aux Canadiens. C'est pas le territoire nigérien. Est-ce qu'un Nigérien est parti là-bas, dit, il va chercher... Machin. Ils ont des ressources là-bas. Dans les zones polaires, là, ils ont des ressources. Ils ont, l'uranium. Mais, alors, ils, ont beaucoup de choses là-bas. Ils sont venus jusqu'à chez nous. Mais créer les conditions pour que nous puissions en profiter. N'est-ce pas? Est-ce que quand ces conditions ne sont pas créées, tout à l'heure, Boukar vient de dire, c'est des ressources épuisables. Les gars, ils viennent. Regardez la dernière fois, en mars 2021. Arrivé à s'élever, il a décidé, à Orano, je ferme la mine de, de, de, de de Cominac il n'y a plus rien à gagner. c'est épuisé. mais qui t'a dit que c'est épuisé Ce n'est pas épuisé, on peut continuer parce qu'il y a des experts qui ont dit à côté même, si on leur laissait les installations là, ils allaient continuer. Ils ont démantelé l'usine, ils ont tout démantelé, ils ont vendu la ferraille, ils ont laissé les stériles comment ça s'appelle 20 millions de tonnes de stériles de radio, euh, de déchets ah ben radioactifs. alors, mais alors quand quelqu'un vient polluer chez toi, il prend là, et il s'en va. Et quand les gens considèrent que non, on doit continuer, non. Mm. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce ah, forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci à la technique assurée par Saini Isaka. C'était Mokta. Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.